Elegiba. la civilisation venue de l'Occident, qui nous oppose, qui nous divise et qui nous tue. Mais lorsque les plans vivaient encore dans les cavernes, les Africains de l'Égypte construisaient les pyramides et étudiaient les mouvements des planètes. Ce qu'il faut aux Africains, oui, un pays à eux, un gouvernement à eux, un pouvoir à eux. Dieu a créé l'Occident avec ses richesses. Il a créé l'Afrique. de l'homme Charles Blégoudé. Où êtes-vous né euh, Votre cursus, votre parcours en tant que jeune, jeune, jeune garçon ben, euh, Voilà, mon, mon, cursus, où je suis né, oui. Parce que je ne peux pas parler de moi-même. Vous savez que ça, je ne peux pas parler de moi-même. D'autres personnes qui me connaissent pourront vous parler de moi. Mais disons que je suis né à Gagnois, qui c'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis né précisément à Pogrobé, c'est mon village. C'est là que je suis né, le 1er janvier 1972. Et mes parents, mon père, mon père est planteur. C'est paysan, il est au village. Et voilà, j'ai intégré euh, la Fédération de scolaire de Côte d'Ivoire euh, quand j'étais encore au lycée. Mais euh, j'ai commencé à... Fait le lycée j'ai fait, j'ai fait plusieurs lycées, hein. j'ai fait plusieurs collèges, puisque j'étais avec mon grand frère qui est instituteur donc au gré de ces affectations, j'ai changé de, de, de lycée, j'ai passé des collège. Euh, mais euh, là où j'ai eu le baccalauréat, c'est au lycée classique d'Abidjan, qui est un des plus grands lycées de l'Afrique de l'Ouest, à Abidjan. c'est là que j'ai fait mes premiers pas de syndicaliste. Mais je n'étais pas dans un bureau. C'est plus tard, quand j'allais arriver à l'université, que j'allais intégrer la section du lycée classique de la cité universitaire de Yopougon pour la FESI. Comme les dirigeants en son temps avaient été arrêtés, et il fallait mettre euh, au devant de la scène des jeunes gens qui n'étaient pas connus par la police, vous voyez, pour faire le travail. Donc le visage connu s'était mis en retrait. Nous avions commencé à travailler. Et c'était parti. Et donc euh, j'ai intégré le mouvement, j'ai fait le bureau national. après moi-même, j'ai pris la tête du mouvement. Et puis voilà, on a connu plusieurs affres, hein. les difficultés des prisons. Je vous le dis, euh, on a, été arrêté, moi par exemple, à près de huit reprises par le pouvoir bédier, le pouvoir PDCI, qui ne voulait pas de, contestation, qui ne supportait pas la contradiction. Mais écoute, c'était le prix à payer. Hein. Et on vous a arrêté pourquoi Mais on m'a arrêté pour mes opinions. Nous, nous défendions les intérêts des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Euh, vous savez que le slogan de la FESI, c'est « Il ne peut y avoir d'école nouvelle sans démocratie véritable » il ne peut y avoir d'école nouvelle sans démocratie véritable. Parce que pour nous, c'est dans un environnement démocratique que les esprits peuvent euh, s'exprimer et peuvent produire. Donc euh, il fallait donc libérer les esprits pour que l'école soit une école véritable. Vous comprenez mais, ben, ben, Le pouvoir en son temps voyait les choses autrement. On nous traitait des bras, des bras, séculiers de pouvoir. Donc euh, derrière nous, on voyait toujours les partis de l'opposition, du On nous arrêtait partout. Souvent, on laissait même les militants de ces partis-là en paix, c'est nous qu'on arrêtait d'abord. Donc voilà un peu pourquoi on nous a arrêtés. Moi, on m'a arrêté en 1996, m'accusant d'avoir cassé deux vitres. Voilà. On nous a mis en prison. J'ai fait la prison. J'ai été condamné à plusieurs reprises par le pouvoir euh, en son temps. Mais je me dis que moi, ce pouvoir-là m'a formé. ce pouvoir m'a formé. Je peux le dire aujourd'hui. Cette, cette prison au lieu de me dire, parce que quand vous sortez de prison, il y a deux attitudes. Hein. Soit vous collaborez avec l'ennemi en laissant tomber ce que vous faisiez, soit vous êtes en endurci, et puis cela développe votre conviction. Je pense que mes années de prison ont plutôt développé ma conviction. Donc vous remercierez Bédier pour ça Mais je pense que j'aurais pu me former autrement aussi. On se forme. Je, positif cette prison. Sinon, euh, c'est pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont formées dans, ce monde-là sans être passées par la prison. Mais c'est parce que, je veux dire, dans l'esprit du, combattant que je suis, il faut positiver, je veux dire, euh, tout ce que l'on a voulu utiliser euh, comme moyen pour m'étouffer. Bon, jeune, au début, c'était pas curiosité. On dit oui, les étudiants ils sont en grève, on les suit, on les élève. Et puis au, fil du temps que, parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. Hein, comme des joueurs à qui on demande aujourd'hui des footballeurs qui disent oui quand j'étais petit j'ai joué non non non non quand j'étais je me dis euh, voilà c'est vrai que dans mon village j'ai dirigé des gens mais c'était pas la contestation euh, on conteste ce qui est injuste ce sont les injustices qui nous ont, nous à cela on a on a subi trop trop de d'injustices trop de brimades c'est tout cela qui explique aujourd'hui nos réactions quand on voit les Henri Konabedi, Alassane Ouattara en train de parler de démocratie. Euh, nous, on rit un peu, quoi, notre génération. On se dit, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de nouveau Pour nous, c'est les ennemis même de la démocratie qui sont là. Il faut le dire tout net. Combien d'étudiants et d'élèves n'ont pas été brimés dans ce pays Pas eux. Et ceux qui nous parler de démocratie aujourd'hui, bon, c'est la loi de haute toi de là que je me mettre, c'est tout. Et ce sont les Occidentaux qui ne le connaissent pas, qui pensent qu'ils ont trouvé des champions de la démocratie. Non, c'est des vrais dictateurs en personne qui sont là. Bref, euh, donc j'ai fait le département d'anglais, puis bon, ben, après mon mandat, j'ai été étudié en Angleterre. Voilà, voilà, je, suis entré à l'école de politique et communication. Voilà, et puis bon, voilà, je suis revenu à l'issue du conflit, Et depuis, je suis là. Je pensais que j'étais venu pour quelques semaines, mais Là, je pense que... Tu étais censé repartir après, en Angleterre J'étais censé apporter mon soutien et repartir, mais la réalité, bien souvent médiocre, s'impose à nous. Et elle s'est imposée à nous, on ne pouvait pas laisser comme ça le combat en cours du chemin plus parti. Raconte-nous un peu, avant de répondre à la deuxième partie de la question, comment se fait votre rencontre, votre relation, c'est quoi finalement Charles Blé et Laurent Bagbo D'abord, je voulais dire que je ne suis le bras de personne. Et, dans toute euh, ma démarche, toute ma vie, je me suis donné un principe. Être moi-même. Il y a des gens qui au début tentaient de m'appeler Babo Junior, je dis non, je m'appelle Charles Blegoudé. Je veux être moi-même. Je ne veux être l'héritier de personne. Bien que j'admire Babo, c'est mon idole, parce que j'aime sa fougue, j'aime sa constance dans le combat. Il nous a montré que on peut changer notre situation à tout moment, pourvu qu'on le veuille. Il nous a montré que là où il y a de la volonté, il y a du chemin. Donc, je l'admire. Cependant, je ne veux pas être son héritier. Lui-même n'étant l'héritier de personne, il est l'héritier de son propre combat, le fruit de son propre combat. Alors, voulant lui ressembler, il faut qu'il soit le fruit de mon propre combat. Ceux qui ne connaissent pas cette, ne savent rien de cette crise, pensent qu'on nous convoque chez Babou pour nous donner des ordres. Non. Babou est un homme ouvert qui discute. Il peut avoir son idée, mais il demande toujours l'avis de celui qui est là. C'est comme ça qu'il fonctionne. Cela dit, notre rencontre euh, ne s'est pas faite euh, euh, au de, je d'une bière, ni d'un repas. C'est Soro Dioum, pour être franc, qui pour la première fois m'a présenté au président Gbagbo Laurent, en son temps chef de l'opposition. Mais il m'y a amené à la veille du congrès de la, de afin que le président Gbagbo puisse me dissuader pour que j'ai retiré ma candidature au profit de Karamoko Yoro qui était le dauphin de Soro Bien entendu, chose que j'ai refusée. Et depuis lors, on a appris à se connaître, le président Gbagbo et moi, depuis qu'il était dans l'opposition. J'ai appris à l'admirer, j'ai appris à mieux le connaître. Et je pense que c'est une valeur africaine. Voilà tout ce que je peux dire.